Je vous remercie. Je voudrais tout d'abord euh, commencer par manifester mon étonnement donc, euh, à cette euh, réaction de au président de la commission aménagement du territoire, et aussi les accusations qu'il porte en droit. Moi, c'est par voie de presse que j'ai subi un déplacement de la commission aménagement du territoire sur le domaine public maritime ce matin mais surtout les accusations qu'il porte à notre endroit, ce qui est extrêmement grave. Et d'ailleurs, j'ai décidé de porter plainte pour diffamation contre M. à. Euh, Je voudrais signaler que, comme vous le savez, euh, le conseil départemental a la compétence de la gestion du domaine public. Et de ce point de vue-là, nous avons été saisis à maintes reprises, donc par des autorités, en l'occurrence le préfet, et le réseau des domaines pour délibérer sur les projets en cours de, de, réalisation au niveau du domaine maritime de Thiès. Mais la, le conseil départemental ne s'est pas encore prononcé pour donner avis sur ces projets. Sur le projet de M. Chergui, c'est le complexe hôtelier qui est en train d'être réalisé, quand j'ai été saisi par le réseau des domaines, j'ai transmis le dossier à M. Ablaïs, au président de la commission aménagement, pour avis il a mené une mission sur place. Malheureusement, Ablaï après cette mission, a donné avis favorable à M. Cheikh pour poursuivre les travaux. Et la lettre qu'il a transmise au, président de la commission, à M. Cheikh sont là. S'il y a quelqu'un qui a violé le domaine public maritime, c'est bien Ablaï Et je vous transmettrai tous ces documents transmis par Ablaï pour donner un avis favorable. Or, l'avis favorable n'est donné que par le Conseil, par délibération, soumis au préfet pour approbation. Et nous sommes étonnés d'entendre ce matin qu'Ablaïsou a mené une mission pour dire que c'est le Conseil départemental qui mène des travaux. Moi, j'ai été saisi le dimanche matin par le promoteur, cher qui l'avait donné l'avis pour qu'il m'a informé que des travaux sont en train d'être effectués sur place. Je lui ai dit, mais comment ça se fait Il me dit, on nous aurait dit que c'est le conseil départemental. Il dit, quel conseil départemental Il me dit de Thiès. Et il m'a transmis le numéro du commandant de la brigade, que j'ai appelé, qui m'a confirmé effectivement qu'il y avait des travaux sur place. Je me suis dit, attends, pour cette fois-ci, je me déplacerai moi-même pour aller constater du bus. Je me suis déplacé sur place et j'ai constaté qu'il y avait un projet de lotissement j'ai interpellé l'adjoint au maire et le président de la commission euh, chargée du, du, comité chargé du suivi du domaine public maritime, qui était aussi étonné de ce projet, mais l'adjoint au maire a estimé, l'adjoint au maire de Kaya, que c'est le conseiller qui les aurait transmis un plan de lotissement. J'ai dit jamais, jamais, jamais le conseiller n'a transmis un projet de lotissement sur le domaine public maritime. Le seul projet dont j'étais informé, donc de morcellement, c'était un projet qui était voulu du recevoir des dons qui voulait qu'on fasse le morcellement du domaine. Je lis jamais. Je ne peux pas, pour le moment, me prononcer sur cette question parce que déjà, on n'a pas encore la délibération du Conseil. Deuxièmement, le temps doit faire l'objet d'un aménagement concerté. Et dans le cadre du plan départemental de développement, ce projet-là est intégré pour l'aménagement du littoral. Deuxièmement, on vient de découvrir le pétrole et le gaz à Kayar. J'ai dit que Kayar doit être reconfiguré comme une ville pétrolière et gazière. De ce point de vue-là, c'est le plan départemental de développement qui doit intégrer la requalification de Kayar comme ville pétrolière et gazière. Mais tous ces projets-là, on ne peut pas les avoir, les piloter de manière transparente et un bon jour, quelqu'un se, se et nous accuser d'avoir des projets de morcellement sur le domaine. Ça ne nous intéresse pas même ceux qui ont présentement des projets en cours là-bas, donc ils font tout pour que le Conseil délivre Mais j'ai dit, ça doit entrer dans le cadre d'un plan d'aménagement cohérent. Tant qu'on ne dispose pas de ce plan, qui est en cours d'élaboration, on ne peut pas se prononcer. Et moi, les preuves qui ça à violent même les dispositions de ces prérogatives Et j'aimerais que vous pourrez copier de tout cela. Ça, c'est une lettre du, du, du promoteur de ce complexe hôtelier transmis au maire de Kaya qui l'informe que de l'avis favorable de la commission aménagement territorial que dirige Ablaïsou. Et l'avis est là, que Ablaïsou aurait à donner au promoteur. Et c'est lui aujourd'hui qui se lève bon bonjour pour nous dire oui, le conseil est en train de C'est quoi cette histoire passe et quels premiers éléments de l'avis Non, moi, j'ai demandé d'abord au commandant de la brigade de gendarmerie de Kaya donc de veiller à ce que toute personne qui s'aventurerait à mener là-bas des travaux soit arrêtée. D'abord. Deuxièmement, j'avais porte plainte pour diffamation contre ablation sur cette question précise. Troisièmement, j'ai demandé, de, j'avais saisir par courrier le commandant de la brigade, de même que le maire de Kayar, pour que le domaine soit présent, pour que toute tentative de morcellement ou d'occupation soit arrêtée donc par la gendarmerie. dama bëgg wax conseil départemental de Thiès masul le def projet masul le def projet masul le def projet naan day lotissé wala day aménagement domaine public maritime bi ñu fi ñëwee ba un en 2014 jot nañu dossiers yi bu ne yenn yi ci préfet la jógee yenn yi jógee ci domaine pour ñu wax ñu ñu délibéré ci ay projet mais depuis lors nous nañu mënuñu ci prononcer parce que domaine public maritime bi suñ koy euh, suñuy joxe avis dafa war nekk dans un cadre aménagé ben ab plan d'aménagement lay doon ci littoral bi yépp ñu xam lan lañ koy def est-ce que li day nekk ay complexe hôtelier li day nekk ay projet lotissement li day donc de manière cohérente et plan boobu plan d'aménagement boobu pare buñ tant que pare wuñ ko mënuñu prononcé wu ci ay projets yoo xam ne ñoo mais bi ma jotee lettre yooyu dama envoyé à Ablaye Sow président commission bi ni ko na dem gëstu projet yi ñu yónnee yi ñu préfet yónnee ak domaine est-ce que projet yoo xam ni baax na am baaxul Ablaye Sow def mission dem sur place bim mu une mission dem à Kayar yemul rek ci constaté defal def rapport yónnee ko président commission président conseil départemental dafa dem mission ba paré bind lettre promoteur bi bind ko lettre ni ko mom muy président commission jox na ko avis favorable il a donné avis favorable au président au au promoteur et d'ailleurs, lettre baa ngi avis favorable bim joxé deuxièmement Cheikh Gueye mi nga xam moy promoteur complexe hôtelier bob dafa bind maître lettre maire Kaya, le 22 août daan ni ko dafa bëgg ñu prononce ndax Ablaye Sow président commission bi jox nako avis favorable mu ngi ni est-ce que Ablaye Sow mo ra a joxe avis favorable am conseil départemental kon Ablaye Sow mi accusé conseil bi naan dañuy morcel Ablaye Sow gis nga violation loi bi mu def kon su fekkente ni y quelqu'un qui viole la loi qui a violé la loi c'est Ablaye Sow maintenant xaw ma ku ne ci ginnaawam wala lu ne ci ginnaawam mais moi cette affaire là dama koy yóbbu tribunal ndax déjà yàq der la def man ci sam bopp lañuy ñu yëgal dimanche ni ma am na ay engins yu fa nekk di terrasser bi ma bi ma ko promoteur bi waxee Cheikh Gueye ki nga xam ne Ablaye Sow joxoon na ko avis favorable mu ni ma président dama dégg ni am na ñuy terrasser dama ci marché ma ne ko quoi. mu wax ma ko ma ne ko ah loolu de jaaxal na ma te mu ne ma dégg ni yéen la ma ko ñaan mu ma ne ko mas am. mu jox ma numéro bri commandant brigade ma woo commandant brigade bi ma woo commandant brigade mu ne waa président dégg naa de yéen la ma ne ko loolu mënta nekk ma ne ko kon ma ne commandant xaaral maa ngi ñëw man maa déplacé wu woo doyen Pape Moussa Diop nga xam ne mooy président commission ad hoc bi war a gérer domaine public maritime bi moo doon def recensement bi ànd ak l'adjoint woo adjoint au maire de Kayar daje fa commandant gendarmerie bi ñu àndandoo dem ci plage bi ñu demee lañ fa gis ay piquet ndax fekk ngeen ko ñoo xam ne ñoo doon def loolu. ja géomètre bi laa fekk mu ne ma mairie Kayar ñoo ko jox plan bi mairie ni ma plan bi mu ngi jógee conseil départemental ma ne ko masuma yónnee plan bu gën a ndaw à la mairie de Kayar pour demander avis favorable ndax loolu su koy def dañ koy waxtaane entre le maire ak le conseil départemental donc kon fekkente ne am na projet de morcellement de lotissement mairie conseil départemental yëgul tin te su ma yóbboo affaire bi devant yoon dinañu interroger ñun ñëpp affaire bi dina leer kon loolu laa bëgg a wax mais Abdoulaye Sow lu mu def c'est de la diffamation en tout cas man du du ñuy ñëw ma yëngal quoi mais dañu war a xam ni man dañuy sonal seen bopp ndax yàlla suturaal na ma li may def xam naa mën naa ko du ñii ñëw ma dugg ci erreur jamais ndax lu may def damay def comprendre à la loi maintenant nag conseil département amul moyen li ñuy jox ñëpp gis nañ ko 143 millions 143 millions la ne soo ci fayee salaire lan moo ci des carburant sax duñ ko pour fonctionner donc mais minimum, il faut régler cette question vraiment je vais porter plainte parce qu'il faut que ça cesse c'est pas parce que la politique que nit ñi di yàq nit donc di leen waxal di et tout ça il faut que ça cesse quoi